Ok, yi TV la chaîne des valeurs c'est ñu doole le xibaaru jaww prévision à courte séance valable du 15 6 2020 à 0 h au 18 6 2020 à 0 h à partir euh, des prochaines 48 heures un temps relativement stable prévoudra sur la quasi-totalité du territoire mais avec néanmoins des développements localisés et sporadiques qui pourraient être notés sur l'extrême sud du pays la chaleur se maintiendra surtout si les localités nord et nord-est où les températures les plus élevées seront observées. Les visibilités d'intensité faible à modérée sont du nord-ouest à ouest en fin de séance ñu jàll ci pharmacie à l'égard de Kibir biir semaine bi quartier numéro 33 971 10 58 wala Khadimou Rassoul marché du Diop ci 33 971 27 21 Nous jàll ci heure 12 au 18 juin 2020 Sous 6h 24 10 2h15 17h timis 19h45 20h45 ñu allons ci conseil constitutionnel du Sénégal euh, titre 4, le pouvoir législatif, section 1 de l'organisation et de fonctionnement de l'Assemblée nationale, article 84 la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale ainsi que les lois la modifiant ne peuvent être promulguées, si la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par le président de la République ne les a déclarées conformes à la Constitution. ñu horoscope bélier en mode corba n'affinera plus de sinoisier dans sa soupe et nul ne sera trop où il veut en venir surtout lui. À force de trop gamberger sur des questions inutiles, il pourrait bien être encore plus perdu qu'avant. Tire le hockey. Taureau, en mode bazooka, aura vraiment envie de tirer en vie sur tout ce qui bouge, ne pouvant plus supporter ni piffer qui que ce soit. À juste titre ou non, il ne devra donc pas s'étonner de se retrouver vraiment seul, qui fait un rejet. Jumeau. Amadou Ganga s'émerveillera de tout et n'importe quoi. Il faut bien reconnaître que son petit côté fleur bleue pourrait se révéler relativement adorable. A contrario, on le trouvera un brin mièvre qui fait le minet. Cancer, à mode cinéma, reverra sa vie plutôt qu'il ne le vivra, ce qui engagera bien entendu son entourage qui n'est pas plus de à à moment il finira par comprendre qu'il ne semble pas se trouver sur la bonne voie. Tu veux un coup de martini. Lyon, à mode polka, aura envie de danser et surtout de profiter de la vie. Ces derniers mois ont été soit plus lourds à porter, soit relativement vides d'événements plaisants. Il ressentira comme une urgence de vie tu n'es plus muet. Vierge, en mode barancar, se sentira en pleine forme et en tout cas plus vif que précédemment. Même s'il n'avait pas rencontré des problèmes majeurs ou incontournables, il sera d'humeur festive et joyeux. Tu auras aucun regret. Vous souhaitez en savoir plus Contactez-moi. Balance, en mode jumba, éprouvera le besoin de reprendre son corps en main et en profitera pour se libérer l'esprit des toxicités extérieures et retrouver une certaine sérénité dans son petit monde en lui qui ouvre les guillemets. Scorpion, en mode Poulanga, aura une fois de plus tendance à vouloir régner sur son petit monde et imposer sa vision du quotidien et son organisation il aura un mal fou à convaincre du bien fondé de ses remarques qui jettent le calumet. Sagittaire, amour de la banda, tentera de séduire la personne aimée ou enflammer l'objet de son désir, ce qui ne déplaira pas à l'intéressé, apprécia ses efforts, à leur juste valeur et succombera dit danse même le minier Capricorne, amour de Rasta, se voudra détendre et voudra surtout se détendre après la pression des derniers jours, mois et semaines. Il fera donc en sorte d'échapper autant que possible en toute contrainte de près ou de loin. Tiens, dit Toupé. Verso, en mode paprika, voudra remettre un peu de piquant dans sa vie et se débrouillera pour faire un certain nombre de bêtises dont on se souviendra, mais qui auront le mérite de remuer sa petite vie. TM, les colibés. Poisson, Amadou Samba se, se trouvera être dans un drôle de tempo, un brin à deux vitesses. Mais il s'en accommodera pour le mieux et finira même par parfaitement le maîtriser, votre, le gérer puis l'initier. Tu ne fais pli le millier balaa ñoo tëj émission bi quelques numéros yoo xamante un numéro urgence là. SOS SOS médecin 33 889 15 15 police secours 17 sapeur pompier 18 Sénélec 33 839 30 30 ministère des affaires étrangères 33 889 13 0 aéroport 33